des programmes de Studio Kalangu à travers nos radios partenaires, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, Ali Munkela Ouseni dit Seno. Seno, bonjour, comment tu vas Je vais bien, Sali, et toi, ça va Super. Alors, nous ne sommes pas seuls. De l'autre côté, à la technique, il y a Kader Tiambiano et Adam Adawaki Rahila Soumana à l'édition. Dans l'émission de ce mercredi 8 novembre 2023, notre rendez-vous hebdomadaire est consacré à l'environnement. Et pour agrémenter la journée de nos auditeurs, nous mettrons l'ambiance avec musical 100% de musique urbaine nigérienne. Notre invitée est une jeune entrepreneur du nom de Samira Mega Kadri. Elle est coiffeuse, maquilleuse et détentrice d'un salon de coiffure. Avec elle, nous parlerons du métier. Sans suivra d'autres rubriques et pour le découvrir, restez avec nous pour la suite. C'est parti. Bonjour chers auditeurs sans tarder, voici le flash présenté par Rafika à Terre, Bonjour Rafi. Bonjour Salamatou, comment Quelle est l'actualité de ce matin Alors pour ce matin, une journée d'information sur la facture électronique certifiée a été initiée hier, présidée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances Moumouni Boubacar Seydou. Cette journée d'information vise à édifier les hauts responsables du ministère de l'économie et des finances sur la réforme pour la maîtrise de l'assiette fiscale et de l'amélioration du rendement de la taxe sur la valeur ajoutée. Selon le ministre délégué, cette facture certifiée est un sujet qui ne peut être ignoré dans le contexte actuel du Niger, surtout qu'elle représente un levier majeur pour simplifier les échanges commerciaux, réduire les coûts administratifs et lutter contre la fraude fiscale. Ensuite, le programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec la ville de Niamey et la direction régionale de la santé publique organise une campagne en série de pulvérisation extra-habitation et de traitement des gîtes larvaires dans les cinq arrondissements communaux de la capitale. Le premier passage de pulvérisation du produit débutera demain 9 novembre 2023 et s'étendra jusqu'au 14. À cette occasion, il est conseillé pendant les nuits de pulvérisation de protéger les aliments et les eaux de boisson, indique le communiqué du programme PALU. Et enfin, pour ce matin, au titre de la campagne agricole 2023, une réunion pour fixer les dates de libération des champs conformément aux recommandations du Code rural s'est tenue hier à Dosso. Pour rappel, l'État a adopté en 2010 une ordonnance relative au pastoralisme qui institue désormais un système de fermeture et de libération des champs de culture pluviale dans chaque région agricole du Niger pour favoriser une meilleure intégration entre l'agriculture et l'élevage et prévenir les conflits entre eux. Voilà pour ce flash de ce matin. Merci Rafifi. Merci infiniment Rafika. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous sommes avec Samira Mega Kadri. Je rappelle qu'elle est coiffeuse, maquilleuse. Alors bonjour Samira. Samira Nkanvani. Mais avant d'entamer nos échanges, c'est nous écoutons la première de notre playlist d'aujourd'hui et c'est le titre Tu me vois de Amiral JC. Yeah. Guy Cauchemar à la lumière. J. Amiral JC. Forever. spécial c'est juste parce que t'as pas la même vision que les gens. C'est artisan qu'ils sont, ils dépendent ta chance. C'est là tu dois répondre néguise avec beaucoup d'essence. Et pas dans les mots, néguise dans le comportement. Sois assudi et fais ta vie tranquillement. Redouble des efforts, une place nuit avec le monde. Fais ton meilleur culpa, t'es fautif ou pas. Innocent même pas, regarde juste tes pas. L'essentiel c'est de retourner vraiment vers le ciel. Et dans sa garde, développer vraiment ton potentiel. Et tu pourras dévier, man, tous les pièges. D'ailleurs, nous c'est qui nous sommes, des haslas Nulle part ailleurs c'est écrit sur nos fronts le déshonneur Et que dans la vie on n'a pas droit au bonheur Mourir sa raison ou mourir une bonne Tu me connais pas, tu me juges pourquoi Qui de nous Allez donc le savoir c'est qui Le demain Tu me vois Tu me connais pas, tu me juges pourquoi Qui de nous Allez donc le savoir c'est qui suis L'humanité tu dois faire les choses avec beaucoup de réalisme. Et eh oui, Amiral JC de son vrai nom, Mahaman Dadje Amadou Touré, embrasse et rentré dans la musique à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, à 37 ans, Amiral JC est membre de NKN, un collectif de rappeurs nigériens regroupant euh, des rappeurs qui se produisent au label Korchop Production. Il compte à son actif deux albums avec le groupe Bagzam et des singles avec NKN. Mais depuis 2020, l'artiste s'est éclipsé de la scène musicale pour se consacrer à sa profession initiale de commercial. Voyons rien d'impossible, tu vois. Arrête de traumatiser ta vie, dis-moi pourquoi. Remplis ton cœur de beauté et laisse le temps et tu verras. La croissance est un chemin, ah non, faut y croire. Chers auditeurs, à présent, on se retourne vers notre invité du jour, Samira Kadri. Samira, matano matagam. Irgin fondo kwe kande hunkuna irfa kara wese. Samira. Ifu tingoyo. Ay dai na salon de coiffure no turu, ay coiffe, ay gu crème, glace, piawata, ay أجنير بطاقية هياكل سنتين هيستي هياكل أنت كده ده نيجي كيسة زات goyo نقويون سنتين gati. to ai e ga kan goyo wote zama to ara ba jirgu kan go gati mm jirgu manga wazawat fotin na sintin mata noni wat fotin non sintin ga borai turu ga maki ga pantanu furara zama wat wal wat fotin a ai chauno ai chauno ke ci breve ke hin kai mandu breva mm. inguno ai fatta e kwala ko ga kan bugoy matano dondon wani teda a salon rada ne kwa ai dondon salon hinkira ne kwa ai dondon ai ne ya ta sason wata ai dondon salon yi ai bang ne koy dondon makiyaji wani mu koy ne ingino kan ai kagai kan bono firi salon wara nin turu ai dondon a fuyan da fu ne guturu ai turu fuyan ingino kan ai koy salon ra ai go dondon après kali ne san bai gogo kali ne ne wani attestation mm, mm. alors ni nini kamba salongo mumbo bo ni bonse mhm. nigi ngi cirse matunu dirawo gogete ni salongo dinra est ce que goyo gogu bori matkan ni donu te sa nango kan hare ni dondon wala matunu barmayente ya wallahi goyo go bora alhamdulillah dai no borgini mm. zama barkan sai goy kul bora ga makani mm. di bora ka ido bora ste kuraji bora ga makani su ba kan dai sai borfo koi ne mm. to salon o créer ngo matuno da est ce que ni di sandai création ora walde sandai kulma fournisseur ara kanina nin créé matuno nin singinda oh. to walla kan ai gogoi ai gogoi salon furano hmm. dai du banandi ai koim dai gine mos moso ai mka gidi si yadi yadi no kala na gine morgu ikuba ingno ai firi hmm. to ni gengi cirse mayno gitini kiliyange wo boreyanno wala arboreyan wo bokununo mm. wala zankei wala arboreyamo be arboreyan gono rastaman yan gono est ce que kani do guturu wali kani ngai bonge nyum wala ba arboreyan ma kiyani bai salama mm, agono ya mayde mm. mayno ko kani do oh. wallahi kiliyange gbagumu wai boreyan ngono arboreyan gono zankai ne gono dottige gono igbagumu nigi matano kayan wo go nigi e da an ga nerga birin bai alborai din di kanido gunen fod mano borai gin da nigi nigi nisi ba ka ni nigi dandai no gidan salon wara wal mata na gate da ai wai gi dandai no salon wara ai mu gwaza make kece za ka nai goya sai burku kan dumo kano ai goya sa sin wani a sin wani ai ke no de ni gonda goy fu kan ni gona ga te kan na ka salon goyo wani salon goyo da gitin goyo to salon goyo dai na gite kala gite le mahar yang nere de glasiya duk botog yanga gner dam siam pof kornia haya kulu hmm. ikul gai se kurara bun boda zan kai giso gay har har no ganai sai wo gai no kali dolphin amma an murado go gite murado go te ara ai wai ba fo murado go te ba fo de bor fo soni salon ora ni hino go goyi wala borengo no kan ni ni go goyandi to wallahi salon ora ay hinno go a hinno gogo hinno nogo de buriye ay bon si danga ago famu da hanni gonda zanka yankan nin dai gogo char bandi o ai gonda zanka kanda hando buni gi bana o ai gi bana zanka margeno go ni ni salon wara zanka hin no gai sai afa ai ga banno afa mo aprantino ah. to mata naran dai gogo ne te da char bandi no ni gonda lokaci kan ka gorgi don don di. wala nig fayday dayno duk kiliyan ay ka ima hawgway day nigo goro ni no ti patron no nigo gorgi gun wal mata naran day gogo inde no go ah, kerbande inde day no go kerban zam go yongon ka iguan go yongon ki swan wo ki swan ay gicha bisen wo day go te im kai inga ingay mom guani to ay bay bay ani bay borku dinga bongo hamni ku dinga hamni matono hamni cakka ko yey dini hamni sande ko yey dini matono dika matono aran dai goye gite charbande to wallahi han fo ya hamni cakka yey dindi borgo goy san fo bor panya igi keri bor panya han fo ya igi keri han fo ya bor igi sara zan hamno ag sandino din panyi da ngara mm. panyo keri mhm. mo panyo de bor ndan ag no normal mm. de go kan te agogin murado firi mo to Allah gogai muradu fera alhamdulillah zaka kun borgo goy borgo du borgo ngi bor murado te borbon si de goyo rano ni gona ga niga niga arano niga salon go rano ga niga ni jinai dai jiyai de frizo ngai penyai amenda amenda wala matano a da yayuwa gona ga da gisiyan furmanu go ga te noro se kan ganan dai nim dogin murada feri nimin won goy rai bana matan da matana gona ga da to salon goyora daino dirgoy irgidisi date semaine fo wakan irdisi ara daino ay sambem koyim de ginaya ara no da hando buwa ka ay mizan bana de zaro ra bom margi no han fo gudu bor bor to bor iye an fo Madala. Donc, cher euh, chers auditeurs, avant de continuer avec euh, Samira, faisons une euh, petite pause musicale avec le titre Bombardier Acte 2, chanté par le groupe Onens Berekui et Enyonem qui forment le bloc Bombardier. C'est parti. power. du Niger, un qui évolue dans le R'n'B et l'afrobeat. Et oui, c'est un featuring avec le groupe Berekwe qui est aussi un groupe de rap. Il a vu le jour dans les années 2000. Ces deux groupes accompagnés par la formation IONM forment un bloc déterminé dénommé Bloc Bombardier. Le nom reflète leur philosophie de bombarder régulièrement le public nigérien par des hits. Section force spéciale blindée Armée de microphones sanglés Dagahano sama daga chine bisa Bere kona kwedo paya dala sige Osigime Dagahano sama daga chine Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Bombardier, acte 2. Retour au studio avec notre invitée coiffeuse, maquilleuse du nom de Samira Make Kadiri. Alors, Samira, ni tir c'est quand ni salon aura, ni guturu, ni gbonyum, tir c'est est-ce que vous avez banda, gui foyango no le ni salon aura. Togo e gbagun kan salon aura. Hmm. Ay guturu, ay gbonyumu, mhm. ay gite maquillage.

to jina kan ayi kan ga safun melange te da ngan goma maja afoyan lome na funun dai afoyan mo fun gana to so irga birin bai e kan naka go jo makiyajo no ni te da salungu hinna rawni go makiye me kopo kan nigiti wala niga dirgo ko an tugay wal wayhi jay matan da matano ni gate da dum margeno ni gati se manta salon wo hinra na igate aigi makiye salon wo rad bora na sem kan kwar mo koya ado aiga makiye ai ko bore makiye hal doso ai ko bore makiye hal maradai go hige gan ko hal maradai mi makiye masha Allah to marge marge woni gati se to wa higi wan priyo go wani an tugai wono mo go wani hmm. barkan kaya kin mu salon makiye mo priye go wani priye wani wani yanno to cirse ni ne ni jinai lomeni ga funu afuwa mo ga funu gana wala songo aranga be kan frontiere ni dabu yadi ga eske ni go gudu jinaidi ni wani si gudu wai wallahi son wa ai si gudu ginaidin za kan frontiere go dabu hmm, son kalmata non go gate son kini hirre dabu si gudu jinai kan ni ga go ma jaite da son mata non go gate to ai gode buriye dayno da habo habo aym ko habo rawo kan ai di gono aym de aym ka aym goida ai gode buriye dai. to nner er se antugay i wono priyo wani ni go we hije wono priyo wani ni go irga barin mbe priye din margi cinano margi kan oh, ay ga antugay o margino o oh, antugay son antugay o margino ingo aranga ta se maquillage antugay ay ga maquiller 15000 oh we hije fa we hije ga maquiller 20000 masha Allah de bore ka kagin gar salon wara zam dunin no koi da bora kagin gar norai ga fayanka cir sai fayanka o da ka kagai gar salon da bor dai no kan kaya cincin kai ga makiye 7500 ne ga makiye to abode na son ga hinga cir sai ne da kaina go kan go ne te mata no go ga milanda ni gonda ne kan ga salon fo feri non fo hara ga bor fo dangara wani gonda dai an ifu katini danga ni suwa ni wo kan ba ni mute ne da kaina kan na ka salon ni gonda ni gonda hay kan ni goga mila ne da kaina fo bai salon wai mtonton aga ai mu feri non gufu ifu no katin anniya wo kan goni sai ne da kaina ai anniya kan sai ai ba dai no ai mtonton salon oga an beri ga bisu matkanci na guda to te ma no ni te wanda kayan gogo goro kayan siga haikulte irin yi zuwa borai ce yin furma ni ti se kan gizu ga ngai mu imu fur kan bogoyo wora danga jinde da yan furma ni te borai se kayan gogoro isi ga haikutte buram tungin ga kan gote a bisa gindi da yan furma ni te se to wallahi go ginda da ni gano imtun ko ga kamba goyote zamu kun bar kan kan kolwai kuna san su bar sai ga bar mutun kai gin goyo te gice cin gibon sai bar min sentiro hawin gibon sai gin gice cote mm. abi su bar fo bar mu kai bar fo bon gana am borno mm. to a puri dai na merci beaucoup samira kadiri merci songo hala irga hala irga charfai bani mm. <laughs> irga ba <laughs> irga ba irin bai eh sanga ni chalei parce que wo bore abinde agonde chalar agonde chorbobo

Hmm. OK to d'accord merci beaucoup Samira Kadri de nous avoir accordé du temps pour cette émission nous vous souhaitons une excellente journée tout en espérant qu'on aura une autre occasion de se retrouver dans le Niger sur Kalango Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou s'est poursuivi, mais cette fois-ci avec notre rubrique hebdomadaire environnement. Et nous, nous, parlons, et nous allons parler aujourd'hui de la protection des girafes. Oui, les effectifs des girafes sont passés de 50 en 1996 à plus de 100 individus en 2023. Elles se déplacent du durant toute l'année entre le Dalol, Bosso et les plateaux de Kouré. Cette euh, migration est surtout liée au cycle annuel de la végétation et à l'eau. Afin de faciliter la cohabitation, bien évidemment, entre la girafe et les hommes, le projet girafe euh, lancé en juin 2023 compte créer une aire protégée dans les 11 communes de Dalol-Bosso. En début du mois d'octobre, le, projet s'est rendu dans la commune de Kirtachi, région de Tilabiri, pour s'entretenir avec les populations. Lors de cette rencontre, la question du, du dédommagement était au cœur des discussions. Écoutons la réaction du coordinateur du projet, Hamidine Saleh, au micro de Habibou Garba. Vous savez qu'il n'y a pas que la girafe, il n'y a pas que l'hippopotame qui commettent des dégâts. Le Niger ne peut pas rester indifférent aux dégâts des animaux sauvages. Maintenant, il faut des recommandations, voir quelles sont les voies par lesquelles il faut passer pour faire la compensation, pour faire le dédommagement. Est-ce que vous voyez Nous sommes là-dessus. Je parle en tant que forestier. Nous sommes en train de réviser une loi qui date de 98, la loi sur la protection de la faune et de la chasse nous avons déjà sur le dossier, l'étude sur le dédommagement, déjà les commissaires sont déjà là. Mais le comité que j'ai fait partie, nous avons mis ça de côté. Nous avons dit qu'on ne va pas introduire ça parce qu'on n'a pas un fonds de dédommagement. Quand on prévoit, par exemple, un alinéa ou un chapitre sur le dédommagement, mais il faut aussi prévoir quelque part et les fonds qui vont alimenter ce travail-là. Or, le Niger n'a pas fait ce travail-là. Nous voulons, maintenant, je parle en tant que coordinateur, il faudrait trouver à travers les girafes et les hippopotames, mettre le dialogue, mettre les forums, faire les discussions, voir quel est le mécanisme de financement, n'est-ce pas, où vont venir les fonds qui vont alimenter ce fonds de dédommagement avant déjà d'aller au dédommagement. Il faut créer un mécanisme de financement durable de ce dédommagement-là. Et c'est ça que le projet va tenter de faire. D'abord, euh, nous allons au moins, déjà le dialogue qu'ils sont en train de ce forum-là, je pense que c'est inédit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis euh, sur la même table euh, les représentants de l'État, la population et ceux qui sont impacté. Bientôt, nous allons faire un forum régional pour discuter cette affaire des GISAF et nous allons l'instituer. Les idées de, dommagement puis sortir de recommandations. Qu'est-ce que le projet va faire Quel mécanisme Nous allons étudier que voilà, tel, il faut faire telle taxe, il faut que l'effort les là sera alimenté à travers telle taxe, telle taxe, telle taxe que l'État va instituer et qui va provenir de la population tout fait, ou des touristes, ou de quelque chose. Il faudrait créer des taxes pour d'abord fonds. Même si on parle de management quel fonds va compenser Quel forme mais il faut mettre d'abord le fonds en, question. Et le projet va essayer de faire des études maintenant, de voir quelles sont les sources de financement et du fonds de dédommagement de la faune sauvage. Et oui, voilà les effectifs des girafes qui sont passés de 50, il faut le dire, en 1996 à plus de 1000 individus en 2023. C'était là le coordinateur du projet Hamid Nsaleh au micro de Habibou Garba. Faisons un autre tour musical avec le titre Enfant de la patrie du collectif 227 euh, Concept. le sensement de l'engagement artistique et social. Leur titre Enfant de la patrie résonne comme un émala nigérienne à la jeunesse nigérienne appelant à l'éveil au travail incarné et au développement de leur pays. oui, ces six rappeurs euh, ont uni leur voix et leurs plumes pour véhiculer un message puissant pour toucher les cœurs et les esprits. Enfants de la patrie, euh, produit par euh, le collectif 227 euh, concept. Chers auditeurs, à présent, direction Ngingimi, région de Difa, pour parler de consommation de la chicha. Et oui, la consommation de la chicha est devenue un fléau qui prend de l'ampleur au sein de la population de Ngingimi et alentour, notamment chez les jeunes. Une nouvelle forme de consommation de chicha a vu le jour et cela a des conséquences néfastes sur la santé, selon les agents de santé. Reportage de Abdullah Mena. A waɗansu lokuta shan tabar shisha na kasancewa wani abu na annashuwa da kuma ƙarfafa zamantakewa ko kuma kasancewa tare, wanda kuma hakan na faruwa ne tsakanin abokai ko kuma waɗansu gungu na mutane. sai dai a nan gundumar gegime da ke a jihar difa shan tabar shishar na daukan wani sabon salo salon kuwa shine na hada tabar shishar da giya ko kuma da waɗansu nau'uka na kwaya al'amarin da ke cewa iyaye tuwo a kwarya waɗansu iyaye sun bayyana dalilan da ke ingiza yaransu shiga wannan yanayi na shan shishar wa'annan shaye-shaye na shisha bai dace ba ga ɗiya maza har ya zamanto toman har da mata suna yi kuma wannan al'amurra abin da yake kawo shirishin aiki ne gwamnati ya tashi ya tsaya ya ɗauki mataki ya san yadda zai yi ya kama muna da yarda Allah maza su samu aikin yi saboda wannan shaye-shayen ya rage kuma sai ya zamanto uwaye maza su ma da kansu sun zira ma mata ido suna kallon su ba za su tsaya ba su tsawata ko abu ya yi dama tsawar da namiji zai yi wallahi ta dukan mace kuma maza uwayen diya muna so dan Allah ku kama muna saboda abin ya yi dama ubangiji Allah shiryan mu zuri'a to shaye-shayen shisha gaskiya bai da kyau inda za an hana sai da shishan nan duk abin su da ba ta yanda za su su samu su sai bare su sha abin nan da ake yi ya kamata masu saida ne za a kai ma korai in suka ki saidawa kenan duk masu sha in ba su samu ba ai za su dangana kuma rashin aiki ma yana kawa ka miya rashin aiki yaro bai da aiki an ta an buɗe fada waje daban-daban an zauna ba aikin hari balle na bai wani ya shiga sata wani dole ya shiga shaye-shaye ana dafa shayi ai ta shan shuta wani sholi wani kwaya in har suna da aiki mi zai kawo kawo wannan shaye ba zai zo ba ko a kwakwalwarsa ma kenan ya kamata a san yadda aka yi da su matashi wa yanzu su ne duniya gaba shan tabar shisha na haddasa hadari ga lafiyar masu shanta a fadar madan kaka aishatu umar mai magana da yawun babbar ma'aikatar da ke kula da kiwon lafiya cewa da hospital di district sanitaire ta nan garin gegime shisha da kanshi ba mu yarda ba mutane suna sha da ya zo wajen mu kuma mutane yanzu suke fara itilize kwaya a ciki wannan ciyawan da suke yawan yawancin duka kwaya ne wiwi ne suke sa mun ji mun tambaya mun samu karin bayani bisan shi wasu ma a kasan nan alkol ne suke sa ko biyar giya ke zuba a ciki zai ta yi haukacin mutum ne mai shan wiwi da mai shan giya ma daban ne yanzu in kana sha giya yau in ka bari ya barka ya barka amma wiwi wannan ko da abu kaman green ne na kaman hasi ne ya aikata a cikin kwantolwanka to girma dai ne zai yi in ka bari a wurin zai saya bai bacciya kaman hasin na haka zai saya amma na giya shi shi da kaburi wuce zai yi ba wannan kare bane yillan da yake bada akwai hiloli da yawa ma bu nan da ake tilze baki nan da ake sa wance ya sa baki ya aiki da shi wance ya sa baki ya amfani da shi wannan baki nan da kuke itilize ba ku san ba miyo wannan baki wannan wani cuta ne ake dauka akan miyo ba yanzu ka gani hepatitis B wannan ana daukan shi a miyo shawara ne ake cewa ko babban tari shine tuberculosis shi ma ana dauka a wannan shi shakin yanzu kenan wannan illa ba da ma na kontrol da yake taba ga cutar kukan da yake sama mu mun yi tai mun yi tai kullum muna zance a cikin radio cikin tele ana fadi mutane ba su yaji so muke a daina harkan shi mu abin da muke fadi da Allah yaran mu ne yan uwan mu ne samari jon ba shisha ba shai ma shan tare bai kamata ba yana da kyau a ɗauki batun haɗarurrukan da ke tattare da shan tabar shisha ga lafiyar dan adam da mahimmanci saboda wani al'amari ne da ke cewa al'umma tuwo a ƙwarya Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, merci Abdoulaye Meina pour euh, ce reportage sur la consommation de chicha. Bonne journée à vous. Et un big up euh, à nos auditeurs depuis la région de Difa. Chers auditeurs, place au sport avec Gourouza Hassoumi. Bonjour Gourouza. Bonjour Sinou. Bonjour Salamatou. Bonjour Gourouza. Très bien. Les championnats d'Afrique de taekwondo se sont déroulés le 5 et 6 novembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, deux athlètes nigériens, vous vous rappelez, ont décroché des médailles d'or. Il s'agit de Mahamadou Mahana Tijan dans la catégorie de monde de 54 kg et de Noureddin Isaka dans celle des moins de 58 kg. Cette compétition est qualitative et qualificative pour les Jeux olympiques d'été de 2024. A noter que le Maroc a dominé le classement avec 11 médailles, dont 7 médailles d'or, une en argent, trois autres en bronze, suivies de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire 3. Pour rappel, le jeune Nigérien Tijani a décroché euh, la médaille d'or de sa catégorie de moins de 54 kg à l'Open de Dakar au Sénégal qui s'est tenu, vous vous rappelez, du 24 au 25 juillet dernier. Et Ablaziz Issifi, l'autre jeune taekwondo-in nigérien, a également décroché la médaille d'or dans la catégorie de moins de 49 kg à la compétition de Russian Open Taekwondo en 2023 du 24 au 27 octobre. Alors, Gourouza, la finale retour euh, euh, de la Super Ligue africaine de football se jouera dimanche 12 novembre prochain à Pretoria, n'est-ce oui, ça sera entre le 8 de Casablanca du Maroc à Mamelodi Sundowns l'Afrique du Sud. Au match aller, les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts à 1 en faveur des Marocains. Donc, la tâche ne sera pas facile entre les deux clubs car le vida de Casablanca a un avantage d'un but sur son adversaire qui tentera d'ailleurs de se racheter devant son public. Notons que c'est seulement Huit équipes du continent les plus illustres se sont engagées le 20 octobre dernier pour conquérir le sommet du foot africain dans le cadre de cette première édition euh, de la Super League africaine de football mise en place, vous vous rappelez, par la CAF, la Confédération africaine de football. À l'époque, la compétition a pour nom Ligue africaine de euh, football. Voilà le sport. Salam Merci Grouza. Il est 11h passé de 39 minutes. C'est l'heure du portrait de notre, c'est l'heure de notre portrait. Notre, notre, collègue Habibou Garba nous amène à Wallam, région de Tilaberi, à la rencontre de Maazou Daouda, un jeune commerçant du marché de Walam. Oui, depuis 8 ans, le jeune euh, originaire de Karakara, euh, Maazou vient de vendre du poisson et c'est dans cette activité qu'il subvient à ses besoins. gaskiya lalle daidai gwargwado dai muna dai samun abin da mun kai lalurorin makin ga insha Allah ina da shekara 27 ina da mata da ɗa biyu to gaskiya wannan sana'a insha Allah na kai shekara takwas da na fara wannan sana'a a nan walan to wannan sana'a da sai na yin tare in kara mutunci na in kara kuma mutuncin iyayena da mutuncin iyalina yasa nake yin ta madalla lalle wannan sana'a gaskiya daidai gwargwado na samu alheri ciki tunda kaga cikin wannan sana'a ciki na ya aure kuma har yanzu ciki nake sha ciki nake taimaka ma tsohi kama irin kiran da gare mu zuwa ga matasa yan uwan mu hakan ga gaskiya mutum ya yi kokari ya yin tarin da ya samu dan abun da ya kama duk da sana'a ba ta da karamci gaskiya duk da abun da ka yi kokari ka kama shi to ka kokari ka dauke da muhimmanci dan ni kaga bayan wannan na fara zamanan da yake na yi haƙuri duk abin da mutum ga samu inda ya yi haƙuri insha Allah to abubuwan sai ga Allah ya sa albarka ciki sana'a ba ta da kaɗan. wani matsala ne kake nan ga samu cikin wannan eh to haka na ni dai gaskiya wannan sana'a dai mahiwa dai ban ganin matsala cikin ta gaskiya dan saboda matsala duk wanda za a cewa kamar ta kasuwa nan ka san yau da gobe sai Allah tana iya zuwa kuma daidai gwargwado dai inda muka ɗauki kayan nan da insha Allah ko abubuwa sun abun nan da muna samu hidda kuɗin masu gidaje kuma muna samu abun da muka ci ciki ko da mu samu abun da muka aji ba eh to madalla ka san kamar da nace kamar yau da gobe sai Allah wani lokacin ana iya samun sama ga jaka a insha Allah dai kullum dai za a samu sama ga jaka wani lokaci ma ana iya ma samun hadari biyar kamar irin ran kasuwa ma sati sati irin ran kasuwa wannan in Allah ya yarda muna iya samun ma sanki mil hakan ga Voilà, c'était le portrait du jour. Dernier tour en musique avec euh, le chouchou de la musique urbaine d'Agadez. Il s'agit de Ampi Naganka qui nous chante euh, ce titre abadie. Nona Team Chat, I'm Perry, Naganka, big up. Abaje, abaje, abaje mata, abaje, abaje, abaje, abaje mata, abaje, waje, waje, waje mata, waje, waje, waje, waje mata, waje. Abaje, abaje, abaje mata abaje, abaje, abaje, abaje mata abaje. Mwaje, mwaje, mwaje mata mwaje, mwaje, mwaje, mwaje mata mwaje. abaje abaje abaje mata abaje ce na ganka da abin da ya shigo gaba na zan taka kwarai babu batu na takaka yan uwa maza da mata sai ku mini barka sofan waka dija arafat pankaka Allah ji kanka hankaka wasu za su wasu za su mini barka yan daudu nace da Allah duk ku mini gafara sai ku gyara rayuwar ku ku ce ku mala'iku ba su yin gafara kashi za su baka sai kara zar tutum tutum ka ku ce kakka mai da kanka dan daudu ka yi asara banza neman su ake ta bayan su tutsotsi suka bayyana a duwawunsu neman duniya ya sa an suka bi su kai to Allah sa su gyara goban su su shaki ya mara bana a tambaye su wannan waka zan buga shi ne da kwalisa ni cikin mawaka auta ne ni ban kongo kwarai good morning baby taka a hankali ke nuna min kwalisan ki a dandali inda zanishe kuku za ta she jiya muka zo mun gagari sake sha kunin baki yana wazi abaje abaje abaje mata abaje abaje abaje abaje mata abaje waje muaje waje mata muaje waje muaje waje mata muaje abaje abaje abaje mata abaje abaje abaje abaje mata abaje Mwaje, mwaje, mwaje mata mwaje, mwaje mwaje, mwaje mata mwaje, abaje abaje, abaje mata abaje. Kuma tun su bindin su, mu da sun gane mu sai su ce kugun su kuma tun su bintin su mu da sun gane mu sai su ce bugun su kuka ce happy na danta ban happy na danta ko mi happy na danta lokacin wa happy na danta makiya suka ce happy na danta masoya suka ce happy na danta kwarai ba a kashe wuta da wuta nace sai ruwa baby ina ta doka ta mai da wawa ta bani abinci ta bani baya haka na ci shigaya na yi kwana kuma hadda hasari dan ba a yin shagali da wando aiki irin nagari na kowa sabon salon tafiya agwagwa an tabara ce ta kada kaza a yanka rago a ban kayan ciki halima ta ta sha ba bakin ciki abinda fitar su ta mini ban fadi kami ta sannu garin ka farin ciki a kotu za a rike kayan kai ciki da dam he bakin ciki ne yi ka mutane suna ta tambaya gani suke bani na rubuta bani a kai ina magana mutane suna ta addu'a ame ame ame ame kullum suke ta gayi kariya abaje abaje <laughs> Ah bon, chers euh, auditeurs, tout en espérant que vous avez kiffé. Passons à présent à la chronique Lotti du jour qui parle aujourd'hui du risque de laisser un puits ouvert dans une concession. En effet, au Niger, plusieurs maisons disposent de puits et souvent ces puits ne sont pas ouverts. Quels sont les inconvénients liés à la non-fermeture des puits dans une maison où des enfants jouent Écoutons cette discussion entre Samira Rouafi et Rakia Arimi. Hey kai kai yi aniya mana tsayanan fa kaka matsa la'ila ina ta yi kuma ina fatan dai ba kwana take yi ba kamar yadda ta saba ramu ramu ramu eh, Allah waye ki kwala mini kira a wannan lokacin haba ramu me kike yi cikin ɗaki ga ɗanki nan shi kaɗai cikin hilin gida kaɗan yayi saura ya hwaɗa cin rijiya ni subhanallahi <laughs> habibu Habibu, ina ma yake, na shiga uku. Dan kuwa ga shi nan kusa. To, kai, Allah na gode muka. Allah ɗaya san abin da zai faru, inda ban toba a daidai wannan lokaci. Na gane shi kusa ga rijiya, yana neman kamo abin wasan shi da ya hwaɗi can sama. Ha? Ai da sai ya hwaɗi ciki, kuma iya ya ciki wallahi ba ku sani. Hmm. Ni Allah, da na rasa ɗana, da me zan ce ma uban in ya zo. yanzu dai Allah ya sa an yi sa'a babu abin da ya same shi amma ga hannu ba ni iya ganewa ya zaki ki bar ɗanki ɗan ƙaramin yaro kamar habibu yana wasa shi kaɗai cikin hilin gida ha kuma kin sani sarai da wannan rijiyar a buɗe take ba a rohe ba ai wannan hatsari ne gare ku a cikin gidan nan da baki sani ba hmm. bari ami wallahi kin san da kwance ho muke tare kamun barci ya ɗoke ni kuma kullum tare muke barcin rana kuma in ba yau ba ma bai zuwa can wurin kuma zancen rijiya da kike kullum ina jan hankalin ɗan aikin nan ya ringa riheta idan ya gama ba ma itace ruwa. Ban ce a kina da gaskiya, amma ya kamata ki ƙara mai da hankali. Ki zan kula da kanki da rihe wannan rijiyar in aka ƙare komi da ake yi da ita ke ya kamata ki zan lura da ruheta Kuma ma, ban ma san don me yasa kuke rike da rijiya cikin gida ba cikin wannan zamanin da ko ina ga famfo kuma kuma ga ku da famfo cikin gida. Hmm, baban Habibu wallahi. In na mishi zancen a kashe wannan rijiyar sai ya kamun zancen wai shi a zai yi wani furaji da ita. Haba abu ne mai kyau, amma kafin nan ya kamata ya tambayi manyan masana su ya kamata su gaya mishi bisa kan yadda abubuwan da ya kamata a girmama kahin a yi wannan furaji Kahin nan kuma ya kamata ku kare wannan rijiyar a rihe ta da wani raga ko da wani abu kahin ma a buɗe a samu a yi forage ɗin har ma saboda yara. Hmm. ya ce mini ya yi hira da su na san nan gaba za su zo su yi aikinsu. to hakan ya yi kyau amma ya kamata ki kara mai da hankali ki zan kula da yaron nan kayan a ƙare wannan aikin forage. ke bari ba yaron bari jiyan ma da kaina ni zan ringa kula da ita kahin su tashi gina forage kin gana shi. to madalla jiga shi ni har na mamance abun da ya kani gidanki. kai ba dole ba. Hmm, wallahi na gode miki da ke dai da kika zo. Allah ya sa kika zo gidan nan da yaya zan yi. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le loti du jour produit par le desk femme du studio Kalangu sur le sujet risque de laisser euh, des puits non couverts. Alors, suivons maintenant Alassane Abdou pour la culture linguistique en français et en zarma. Et le mot du jour est solidarité, c'est une rediffusion. Bonjour Sinon. Alors aujourd'hui nous avons euh, décidé de choisir le mot solidarité et en lien avec l'actualité, vous savez très bien ce qui se passe dans plusieurs zones de notre pays, notamment à Difa avec le conflit, à, dans la zone de trois frontières notamment, à Tilaberi, Tawa également, euh, un peu partout. Donc le mot solidarité a sa place. Donc la solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe deux personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi, les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du groupe. Il faut cependant noter que euh, dans la société, la solidarité reste importante pour lutter contre l'isolement. Quand il y a un problème dans une société ou même dans une famille et que tout le monde t'isole, c'est un grand problème. Ça peut aboutir à des suicides, à beaucoup de choses. Voilà pourquoi il est toujours important d'avoir, euh, d'être solidaire envers son prochain. Mais quelles sont les valeurs de la solidarité La solidarité a des valeurs humaines qui sont nombreuses, notamment euh, sur le respect, c'est l'acceptation, c'est la reconnaissance, la considération, l'écoute, l'ouverture, la coopération, le civisme, l'honnêteté, l'action juste le partage, l'entraide, la solidarité, la fraternité et l'empathie envers d'autres humains. Voilà quelques valeurs parce qu'il y en a plusieurs et je sais que si je vais les étaler, elle va commencer à crier ici. Exactement. <laughs> Donc, euh, c'est ces valeurs-là euh, qu'il faut avoir pour parler de solidarité. Exact. En Zarma, euh, solidarité, il y a min ñeyzo mo bani ñeyzo ñeyzi taray no ñeyzi taray mo barkan na ñeyzi taray hal ñeyzi taray go kulu boris ker fayanka hal ñeyzi taray go kulu boris moor ker hal ñeyzi taray go kulu irgi hinka wa hari bobo alimiyalira. na hangi sino mo bai bahu ne kan rago ni zo ni gorki sino ni baba ni nya ikulu mo bai hankan rago zam dinu bora ka kabe ini ka kan buga burkul siya sanira a gonda sandai a kaga nan kan a ga tasi ba hundi ciniga ya ni ga solidarity kiti irma kabdan kyar kabara irma kyarde irma bakire irma kyar gakisna irma bucare sandaira Merci Alassane Abdou, chers auditeurs et auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. oui, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. sunana rabi alhaji mamman wadda aka fi sani da suna rabi mai aski shugaba na kungiyar masu kira da sauran radio jihar da magaram nan ga jamhuriyar nijar kuma mazamni ne a nan unguwar karkara daidai station da magaram eh ra'ayina dangance da shirye-shirye da ake gabatarwa a nan ga studio kalangu gaskiya shirye-shirye ne masu inganci kuma masu faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa Eh, domin a cikin su akwai dukkanin eh, nau'ikan irin abin da ake da bukata a cikin rayuwar al'umma cikin rayuwar ɗan adam eh, musamman ma kuka ɗauka wajen ɓangaren matasa akwai shirye-shirye dama wanda ake gabatarwa wajen ɓangaren matasa akwai kuma shirye-shirye wajen ɓangaren kiwon lahiya ko kuma mata da ake gabatar da nasu shirye-shirye akwai ɓangare na labarun wasanni haka ko kuma labaran duniya ko kuma labarun haka cikin gida domin gaskiya tsakanin tsakaninmu da mu da studio kalangu ko sai da mu ce allah da ya sanya alkhairi domin gaskiya iyaka kokarinta iyaka kokari studio kalangu tana badawa kuma muna jin daɗin haka nan kin sosai yadda take yi Allah dai kuma ya saka da alkhairi Allah ya kara eh, fisa a zamu iya cewa da daga jagoran wannan studio kin nan ubangiji Allah ya kara ɗaukaka su gaba kida da na sauran ma'aikata eh, na gode eh, da kokari da aka yi mana ake ba mu irin abubuwan da suke nishadantar da mu kuma suke faranta mana rai sosai muke samun karuwa a dangance da rayuwarmu. e da ƙarshe kuma ina gaida dukkanin mambobinmu na kungiyar masu kira da sauran radio eh, wanda suke zaune a nan da magaram da kuma ƙasa ma gaba daya eh, da kuma dukkanin waɗansu ma'aikata na nan studio kalangu da kuma ma'aikata na sauran radiyayyuka inda suke haɗin gwiwa tare da wannan studio kalangu da sunana kusiya malam mai daga su shugaba ta mata matasa na da magaram gaskiya bisa kan shirye-shiryen studio kalangu da suke yi alhamdulillah muna jin daɗin shirin su ɗari bisa ɗari sosai tunda muna karuwa da abubuwa ta fanni daban-daban musamman ma abin da ya shahe mu mu matasa bisa kan ta hiyar da rayuwar mu da dai sauransu dukkan shirin da suke yi wallahi sosai muna jin daɗin shi kuma muna karuwa kuma mu ma muna faɗaɗa shi a wajen mutane da dama domin su ma su samu sun saurara wannan shirin eh gaskiya ni anan abin da zan faɗi shine in ma da kwai ƙarin da studio kalangu za ta yi shine bai huce ba na bisa kan karatu na matasa na yara da kuma wani zaman banza wani shaye-shaye wanda duka ya kamata a ce su ma an faɗaɗa sensibilization bisan kanshi a ce an faɗaɗa wayar da kai bisan kanshi in aka ɗauka kamar ɓangaren sensibilization da studio kalangu suke yi duk lokaci zuwa lokacin wannan da ake sawa yar ɗin wannan mun ba abin muhimmanci ne sosai tunda abin kamar ya so ya zame mana jiki ma in dai har an gaba mu saurara ba to kawai bin ma gida ne ko bin mu gida akwai salula a wajen mu dai in babu karamar salula mai radio ita ce wannan bin ma saurara amma gaskiya sosai wannan abin mun bashi muhimmanci sosai muna saurara a ayyukan su. ni ba wa ba Allah yake guni ba wa ba ya ji jilalu wali kirani ya jilalu wali kirani kome kake ka ambaci Allah saura abun ka bai ya ɓaci in ji rasulallah kumya Allah ba ya sa musulmi kumya ni ba ni abota da wawa ni ba ni abota da kazami ni ba ni abota da rago rago yana ana ka kazance in ji malum bale rago ana ka in ji

ba kore buzune, ba buzu buzune, rakumi buzu ne ya zama aikin ba auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Ali Ousseini Disseno. La technique était assurée par Kader Chambiano, Adama Dawaki et Reletou Soumana étaient à l'édition. Ne manquez pas nos journaux à partir de 17h sur les ondes de nos radios partenaires et sur le site www.istudiokalangu.org. Excellente journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao.